ne itam ñooñu leen daal di taxaw du dëgg du yoon te itam dañuy def leen neex jëmale si li na xam nekk moo di mbiri exactement donc plainte bu ni mel ñoom dinañ ko daal di annoncé à la dernière minute te itam ñoo ne sax daal di koy déposé ji fa xam ne itam mooy ko conseil constitutionnel suba incha allah Le Conseil constitutionnel le conseil constitutionnel le par rapport ak constitutionnel, le au second tour le le Conseil constitutionnel, le Conseil élection ak a exactement alors le euh, euh, conseil constitutionnel après li constitutionnel, euh, au tour exactement conseil constitutionnel. le contrôle des c'est plusieurs processus le contrôle des candidats c'est plusieurs processus. Hmm bi si moy le contrôle des parrainages après am na xamné nak ne ndax yoon nañ di cutis am na xamné nak ne ndax yoon nekkul seen kaw donc tout ça ce sont des moy deuxième contrôle bi maanaam ñi njëkk jall au premier tour ñoom si ñoom di leen contrôler wat non ñooñu pareeguñu non li c'était juste le contrôle des parrainages c'est un contrôle parmi tant d'autres donc ñi njëkk jall mu mën nañ leen wàññiwaat effectivement bien sûr pourquoi pour ñoom ñoom instant ñoom ñooy les les kanda non le contrôle n'est pas encore fini y a d'autres contrôles c'était juste le contrôle des parrainages. la validation des parrainages ne veut pas dire que toutes les conditions, toutes les conditions sont réunies pour être candidat. Donc, nous, dit à tout moment, Bon, peut-être qu'ils estiment que les un papier a un problème pour le reste. Parce que vous faites neuf pièces de parrainages, Parrainage, ben le tchèque. Ah. Alors, est-ce que ces 9 pièces-là, constatent ici le de justice, donc, ou tout Normalement, C'est ce que dit la loi d'ailleurs. C'est ce que dit la jurisprudence du Conseil constitutionnel d'ailleurs donc Ousmane Sonko UC UC UC de justice am DGE CDC e, peut-être pour remplacer sur dossier. effectivement parce que que dit le juge que dit la jurisprudence du conseil constitutionnel le conseil constitutionnel dit que ni sous administration def est constaté que la faute n'incombe pas à qui défoule l'IGM. La faute incombe à qui À l'administration qui n'a pas fait son travail. Parce que l'administration, elle a de qui qui fichier. Donc, il faut une annulation de la décision. Il y a une différence entre rupture de la décision de bi jeex et décision annulée. La décision annulée c'est comme si cette décision n'avait jamais existé nous avons recours à la décision justice caractère rétroactif d'une annulation hmm. c'est-à-dire quand on donne une décision et que le juge annule la décision on considère que cette décision n'a jamais existé vous un exemple très simple soo un mariage ñaari nit ñu si wu suñu divorcé faut rupture mariage les effets ne vont se produire que pour l'avenir hmm. Mais s'il y a une annulation du mariage, hmm. on considère que le mariage n'a jamais existé. Ça revient au... ici, c'est la même chose. Le juge a annulé la décision de radiation. C'est comme si cette décision n'a jamais existé. Ordonner son intégration. Cela veut dire quoi Cela veut dire que la faute du photo, de photo, administration il faut tout euh, Sonko administration donc le conseil constitutionnel aurait pu se tenir respecter sa propre donc le juge a annulé mais au rupture annulation annulation la décision n'a jamais existé c'est-à-dire la décision n'a jamais existé radiation bi musul am radiation musul am ok caractère rétroactif de la décision dañuy radiation musul am alors euh, nous tamit le conseil constitutionnel pour mu euh, pour di a L45 exactement ñun tamit ban tontu ngay wax euh, xaar suprême son dernier mot décisions. non mais ici on l'a dit ici ici ici le pouvoir n'a pas un caractère suspensif. nous bi décision bi. li en matière administrative. en hmm. administrative ci quatre éléments le pouvoir ok cause d'utilité publique radiation collectivité hmm. territoriale. Hmm. ak euh, yooyu non, la daal kàddu hmm. yooyu mais mais mais mais qui bokk si moom on l'a dit redit loolu foofu une rupture. alors Qui nous mënul indi une rupture en fait. alors euh, dafa am lu si bees muy li nga xam nekk moo di. Euh, euh, les avocats d'Ousmane Sonko ñoo daal déposé benn mémorandum de défense exactement alors euh, ba e de faire seen recours contre li nga xam ne moo di boobu di décision bu bu Dakar. Euh, alors euh, mémoire en défense mooy lan droit exactement en fait ils ont écrit pour euh, wane que l'administration doit respecter li ñu fa c'est-à-dire que l'administration ne doit pas aujourd'hui se substituer wala jël une défense politique il doit respecter sa condition hmm. administrative c'est-à-dire hmm. il doit respecter ces règles administratives dafa ko tënku ci li ñu ko yónni c'est-à-dire liggéeyal askan bi son devoir de loyauté maintenant ça mm. dépend nag sur quel contexte lañ ko bindee sur contexte ban contexte lañ bindee seen. alors euh donc ko bind juste après euh, ba AGE euh, bind euh, xa birale benn li nga xam que ordonnance jom demande. ah d'accord donc il se il se prépare juste pour la. pour la décision la cour suprême annulée il se prépare juste pour la il se prépare pour la juste pour la décision de la cour suprême c'est juste ça. c'est le marbre de défense quoi. la cour suprême va bientôt entrer en jeu. waouh bien vrai que waroon woon am impact aujourd'hui sur la décision. Parce que la Cour suprême, encore une fois, il, doit, statuer. Mais avant de statuer, la décision ne devait pas être rétroactive. La décision ne devrait pas être euh, suspendue. Oui, il ne devait pas suspendre la décision. la décision. mais une décision euh, de de suspendre. Ah, pourtant tous les textes Il a cette affaire hmm. que ce soit la loi organique sur la cour suprême que ce soit le code électoral Nous, indiwuñu aujourd'hui li war li mëna tax ñu dañuy cette décision dañuy dañuy suspendre la décision loolu yoon wax c'est l'administration sénégalaise qui l'a décidé c'est c'est c'est le précédent dangereux dont je parlais parce que suñu né ba administration nek ci kaw justice il y a un réel problème administration il fonctionne sur la base de décrets et arrêtés hmm. so jëlé la hiérarchie des normes qui est hmm. un élément composant du droit hmm. dañ la nan, les actes réglementaires mais actes d'administration administration sont soumis à la loi parce que la loi moo fait kaw les actes réglementaires sont la hiérarchie des normes qui est un élément composant d'un état de droit mm. mais fini nak administration c'est comme si moo pour la justice comme si moo pour la loi y a des problèmes d'état de droit problème de démocratie alors euh, donc euh, a bi de c'est-à-dire donc au suprême euh, juge na recevable par rapport à ce requête à cette requête bien non la cour suprême va euh, juger la e, requête euh, biral non il va juger la requête. mais amoon na possibilité daal koy rejeter. si la cour suprême. oui pour rejeter. requête bien requête pourvoi bi les agents judiciaires de l'État déposé waat. xam nga pourvoi bi. allant dans ce sens. xam nga de parce que cour suprême moo ko dénkoon tribunal bu Dakar ne ko actuellement. waaw xam nga xam nga loolu. Hmm. xam nga la procédure judiciaire dafa xaw a ok c'est-à-dire da ngay déposer nous interjeter appel nous ñu dem ci cour suprême. Mm. parce que fi, il agit en premier et dernier ressort. ñu mm. dem ci cour suprême. cour suprême estimé né da ko war a ñu juger mm. maintenant ce qui va se passer la cour suprême parce que c'est deux processus qui sont différents. déjà il y a une ndax la requête sera recevable je pense sera qu'elle sera bien recevable. mais maintenant si àtte moom suy la cour suprême ce sera en plénière c'est-à-dire mënatul rejeter waat mënatul boîte, ci un tribunal la Cour suprême en assemblée plénière est obligée de statuer. donc fini, Cour suprême est obligée de trancher mënatu ko dénk benn tribunal mais nekk procédure a mais temps là peut-être pour daal si wala mën a taxaw wala amul durée je sais pas je sais pas je sais pas objectivement je sais pas combien de temps il faut prendre il faut prendre mais ce qui est sûr mooy nous, ko dàkkaat fii la hmm. la Cour suprême va statuer en assemblée plénière loolu la yoon wax c'est un processus c'est un procédure qui existe depuis longtemps ah peut-être Sénégal lañ ko appliquer rek c'est une procédure qui existe depuis longtemps hein alors euh, est-ce que décision du suprême mun na après le conseil constitutionnel parce que nous avons peut-être nañu après le 20 c'est compliqué su après le 20 c'est compliqué. su après après le 20. c'est compliqué. euh, conseil constitutionnel ce cours suprême doit renouveler notifier le conseil constitutionnel. su nekkee après le 20 peut-être nekk et même pour par rapport à Ousmane Sonko. par rapport au cas d'Ousmane Sonko mm, nga mm. Ousmane Sonko il a un autre problème bon, la justice encore une fois dafa l'affaire Mame ça aussi, c'est compliqué. Parce que l'exception d'inconstitutionnalité pouvait être soulevée, mais il y a C'est quoi l'exception d'inconstitutionnalité hmm. Pour que nous le top de l'affaire affaire, hmm. il faudrait que l'affaire Bobo, le Conseil constitutionnel prévoir. article b bien le topé, article non c'est pas conforme à la Constitution. article Article 265 du Code, du code pénal de la loi de 1965. 260 du Code pénal de la loi de 1965. Bon, nous mettre en relief une inconstitutionnalité de l'article par rapport à l'article 8 de la hmm. Constitution. Hmm. Il faudrait voir l'article Parce que diffamation, nous ne top pas ci koo que dañ la dénk C'est le problème avocat yi ne normalement ak loi organique article 92 mu wax dafa né suñu soulever exception d'inconstitutionnalité tu es obligé de renvoyer la décision vers le conseil constitutionnel avec son article 21 de la loi organique relative relative au conseil constitutionnel si pour statuer ba pour il y a une constitutionnalité de la loi avant cour suprême du monde mais cour suprême accepte ou requête de la loi de ce fait il a. da d'accord de justifier que ni. ñom euh, ñoom ko àttee loolu loi bu euh, téggu si yoon la. waaw ñoom dañoo dàq daal requête dañoo ils n'ont pas. recevoir ñu wa recevoir ñu l'exception exception d' de ce fait ci lañu statuer. Hmm. ne contrainte de corps amul. mais dañuy téye dañuy téye dañuy kay dañuy dañuy maintenir la sentence. mais contrainte de corps amul si si toutefois Ousmane Sonko taxaw fu mu taxaw du fay.